Au titre du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Au titre du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Ces trois projets de décret sont pris pour faire suite au décret portant composition du gouvernement et déterminant les attributions des membres du gouvernement. Ils ont pour objectif de doter ces départements ministériels d'un cadre organisationnel leur permettant de remplir leur mission. Mesures nominatives le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, colonel Issan Allah, matricule OA bar SM, est nommé haut commandant en second de la garde nationale du Niger. Lieutenant-colonel Mohamed Oumarou Garba, matricule bar sm est nommé conseiller technique du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire médecin commandant Mohamed Bouzou, matricule OABARES M, est nommé directeur des services de santé et de l'action sociale de la garde nationale du Niger. Commandant Mahamadou Mamadou, matricule OABAR-SM est nommé directeur des ressources humaines de la garde nationale du Niger. Lieutenant-colonel Adamou Meina Moussa, matricule OABAR-SM est nommé directeur des statistiques et de la formation de la garde nationale du Niger. Lieutenant-colonel Saleh Oumarou Garba, matricule OA-SM est nommé inspecteur à l'inspection générale des services de sécurité IGSS. Les personnalités dont les noms suivent sont nommés préfets des départements ci-après. Ingal, commandant Hamed Al-Kassoum Edor, matricule 73 757 bar X. Difa, M. Mahmoudou Hamma, matricule 57 205 bar M. Good Maria, M. Adam Ibrahim Souley, matricule 59675 bar M, Dosso Ousseini Umma Tambari, matricule 59-986, bar D, Tibiri, M. Ali Amadou, matricule 62 527 bar F, Aguier, officier de police Hawa Sani Amadou, matricule 83 267 bar Y, Gazawa, M. Mahamadou Alzuma Hamadou, matricule 11 685 k Mayahi Monsieur Adamo Munkaila Moussa, matricule 79 628 Bar P Tessawa Monsieur Salif Moumouni, matricule 102 221 Bar S Malbaza Monsieur Amadou Isaka Alou, matricule 65 100 Bar C Bouza Monsieur Abdraman Zangoma, matricule 152 916 Bar M il est M. Abdoujibo Issiaka, matricule 63 724 bar V Keita Monsieur Hamabouraima, matricule 87 bar Y Tawa Monsieur Yoni Badjeba Dile, matricule 064 637 bar E Kolo, Madame Aïsata Haruna Faramaïga, matricule 55 511 bar F, Tilaberi, Capitaine Hamsatou matricule OA bar SM. Tesker, capitaine Kadade Isia, matricule 48 618 B, Matame Monsieur Hambali Umoru, matricule 87067 bar W, Dungas Monsieur Nomagali, matricule 87062 bar R, Magaria M. Lampo Yampambu Mahamadou, matricule 87318 bar Z, Myria Capitaine Ramatou Abdoulaye, matricule OA bar SM, Taketa M. Abdoulaye Issiakou, matricule 112 164 bar S. Communication. Le Conseil des ministres a entendu deux communications. Une communication du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique relative à l'attribution des marchés publics passés par appel d'offres ouvert national pour la construction d'un bâtiment R2 pour l'extension du rectorat de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Ce marché d'un de 384 813 507 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributeur l'entreprise Adam le constructeur avec un délai d'exécution de 10 mois une communication du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement relative à l'attribution des marchés publics passés par appel d'offres ouverts international limité pour les travaux de réalisation de deux systèmes d'alimentation en eau potable des centres semi-urbains dans la région de Tilaberi. Ce marché d'un montant d'un milliard 389 millions 311 794 francs CFA hors taxe a pour attributeur le groupement d'entreprises Agaba ERT Sarl avec un délai d'exécution de 10 mois. Ces communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 018-PM-ARCOP du 18 janvier 2023 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 alinéa 1 que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a levé la séance.